Travail, Monsieur les collaborateurs des ministres, chers collègues, je vous salue. Euh, monsieur le ministre, dama bëggoon rek nga xam porté li la éducation lañ la denk. ñan lañ la dénk alal ak suba les yooyu lañ la dénk et on parle beaucoup de capture du dividende démographique à ressources ressources pétrolières Sénégal le Forum, je pense que ressources humaines sont la Monsieur le ministre euh, moi je voudrais accentuer mon intervention par rapport aux lenteurs administratives à l'éducation inclusive mais aussi à à la séparation des toilettes pour les filles. Monsieur le ministre, par rapport aux lenteurs administratives, il est noté chaque fois, chaque année, des retards dans le décaissement pour les paiements lors des, après les examens et concours. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui justifie cela est-ce que jotul ñu parmi les présidents de jury ou bien parmi les examinateurs nous jox ces fonds-là au moins après examen le mois qui suit nous ne les professeurs balaa une source de démotivation balaa des grèves de 5 jours de 10 jours voire de 15 jours est-ce que tey nous nous former les présidents de jury nous ne après vous nous amenez les pièces justificatives donc ce qui fait que problème yi ñuy am à l'année qui suit dinañ ko mën parce que nous, ñi ñëpp balaa des missions, mission wala nous missions, nous mission lañ ñuy fay Nous ñu xaar aussi, nous nous si ñu nous nous a fay suñu suñu Monsieur le ministre, par rapport à l'éducation inclusive, euh, pour une meilleure prise en charge des enfants vivant avec le handicap, est-ce que tey nous ñu mettre en place une direction de l'éducation inclusive bi nga nous suivre xale bi bi élémentaire ba université parce que li ñu que euh, si boo directeur de l'éducation élémentaire par exemple cheful le moyen secondaire cheful l'université est-ce que tey nous amène une seule et même direction du prise en charge des personnes vivant avec le handicap parce que nous permettent permettre l'aspect suivi comme je l'ai annoncé monsieur le ministre est-ce que tamit jotul nous former les professeurs en la matière parce que li ñu muy FASTEF CRPE il manque un modèle de euh, module de formation dans ci domaine et si on les indicateurs plus de 10 de nos enfants vivent avec le handicap donc devons waruñu leen sàggane ci système éducatif bi euh, l'accès aux infrastructures monsieur le ministre ah, n'est que na problème bu pour pour ces personnes là parce que la construction infrastructure nous avons en charge les rampes absence de totale bien vrai que def nañ ay effort en en en la matière école yi n'est ci Sénégal suñu suñu dëkk bi dañ dafa bëri suuf tey dina poser un problème de mobilité avec les enfants yi déplacés avec des chaises roulantes chaises roulantes des fauteuils donc si nous avons des infrastructures, tabaxati ay infrastructure ñu en charge

aussi tamit war ngeen meuna def des campagnes de sensibilisation avec des rôles modèles pour que xalé bi nga xamné mom dafa am handicap mu meuna a gis boppam ci société bi gis ñeneen ñi nga xamné am nañ handicap mais tay la société bi permettre na leen égalité des chances ba nous ñi ngi je prends l'exemple de madame Aïssatou qui est la conseillère du président de la République vous n'avez pas seulement la mendicité comme recours vous avez un un diplomate au ministère des affaires étrangères nga avez un dafa am handicap Vous avez jom keneen ku au ministère des finances Nous, avons war nañ comme nous avons les autres comme des, rôles modèles. monsieur le ah, je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à la collègue Aminatali et se prépare le collègue Yaya Sow.